le plus catastrophique, autant pour moi, qu'il qu y a jamais eu au Sénégal, le ministre des Sports. Donc, euh, peut-être, euh, euh peut-être tu as une lecture par rapport à ça, ou euh, sinon, euh, Madame Tiraoul Moudjok m'a peut-être par rapport à ça. Ah non, peut-être avant ça, je suis affaire au la Djobi avec Bakary. Donc, nous avons par rapport à Idrissa Garnagay et Cheikh Kouyaté. Je avons dit que Raoul a que l'équipe nationale, c'est la forme du moment qui compte. Mhm. Donc, tant que nous, ils sont compétitifs, ils mhm. peuvent accompagner les jeunes. Et je pense que c'est important. Football, euh, le meilleur mélange, le mélange de bon, expérience euh, li nga xamante ni nii moom jeunesse pour nga mën euh, aboutir à tes à tes fins Les gens bon par rapport à que euh, Diop ak li Bakary jot mais je pense qu'il a parfaitement raison parce que bu ñu bu ministre bo xamante ni nii tey euh, da ngay da ngay da ngay dem ci compétition alors que yow li nga wara def sax xamoko ya y' a problème. Mm-hmm. yow ya y' a problème et même allant plus loin Marceline ñu ngi wax que ni président fédération sénégalaise de football à savoir Augustin Senghor ak ministre bi dafa am pëccëxoo seen bir mais nan ngay démé di outil nan ngay démé di outil te juboo la plupart do am li nga xamante ni mom nga bëgg je pense que affaire affaire affaire ministère des sports bu ko dee tabb dañ ko war di xoolaat Sénégal li def amul fenn nan la ñuy demee euh, war a dem mondial ñu jëlee fi Matar Ba fi Matar Ba andi euh, Yankoba Diatara jëlee fi Yankoba Diatara andi fi Black Diop mais lan la au final lan la on ne comprend pas et les acteurs du foot et, et les acteurs du sport en général ne comprennent toujours pas parce que tay sport développement sportif. sport da fay permettre dafay raffermir les liens donc bu ñuy jël ben ben njit diko tek nañu xol le profil adéquat ñu tek ko ci li discipline sport. effectivement Souleymane alors je rappelle que le numéro de téléphone euh, c'est le 70 533 16 36 70 533 16 36 vous pouvez nous joindre en direct pour participer à l'émission donc euh, Raoul euh, Ninko ko Souleymane waxé Bakary Cissé il a écrit un article sur le ministre Labdiop en disant que c'est le ministre le plus catastrophique de toute sa de toute la génération des ministres de l'espoir du Sénégal nan nga gisee article bi est-ce que tu es d'avis avec lui ou ou non. non décevant décevant d'autant plus que booy xool qui connaît Bakary xamné du koy waxantou aussi quoi te du du du du wax li nga xamante c'est pas fondé donc du coup bu ñu ba fofu noonu ñu am ay ay ay ay ay querelle entre guillemets yu ñu gis ci ci tanière bi vraiment du du du loolu lañ doon xalaat quoi et puis c'est pas ce qu'on ce qu'on attendait vraiment. Mm-hmm. parce que gis nañ on a vu du temps de Matarba qui a duré ici donc boy xol li yëpp daaw fi doon am. Mm-hmm. donc c'est da doon def tout ba régler yenn problème yi nga xamanteni ci suuf ba nga xamanteni du juk parce que mm-hmm. loolu ça va affecter quoi que l'on puisse dire équipe nationale tanière bi parce que tanière buñ démé fofu compétition ils ont besoin de calme de sérénité. et beaucoup plus de tranquillité pour pouvoir euh, faire une très bonne compétition. Mhm. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé entre-temps. Duñ ci génnee loxo politiciens parce que quoi que l'on puisse dire euh, Matar est venu, il est parti, Yankouba est venu. Et qui connaît Yankouba, comment il est parti Après, on a eu le premier ministre qui a pris le... Euh, qui a assuré l'intérim. Il fallait que tout coûte mieux un homme bi nga xamante moy mooy assuré et puis duma ci génne politique bi parce que instant boobu noonu vision yi ci benn nit rek la demoon muy Matar Ba donc bu fekkente dafa dem ba fofu noonu di di di di def joxe yenn comportement yi bof pour qui connaît pour qui comment dirais euh Lat Diop plutôt pour qui connaît Lat Diop xam c'est quelqu'un de très chaud quand même c'est mm-hmm. quelqu'un de très très très très chaud donc quand j'ai vu euh, euh, euh les révélations de les articles de Bakary euh, amuma ci xel ñaar quoi amuma ci xel ñaar parce que xam naa ko quoi bettu ma quoi au fait bettu parce que tamit quoi que l'on puisse dire il faut que ñu xam benn affaire. Mm-hmm. le milieu euh, championnat. Mm-hmm. le milieu nawetaan ak en Afrique c'est diamétralement opposé boo fay dem am na yenn comportement yi nga war a am yi am na yenn doxalin yi nga war a am yi te si loolu si leen lay nawee parce que tu représentes toute une nation et tout un pays. Mm-hmm. c'est ça au fait. effectivement euh, am na solo bu baax analyse yi nga def Absa. On a vu euh, l'article de Bakary Cité qui a dit tantôt euh, que le ministre, euh, le ministre était le ministre le plus catastrophique de toute sa génération. Donc, que penses-tu de ça Parce que Miguel ça, on a vu lors de la promenade des Lions, il est sorti pour les arranger comme si on était dans une voilà comme si ils étaient des lutteurs alors remarque def ko c'est un article très long je vous conseille d'aller voir ça sur www.disport.sn, vous serez encore plus informé par rapport à cet article. Alors, nous, c'est euh, point de vue, petit côté Bobo. Euh, je pense que Bakary so demee ba bind ba def analyse am ba bind je pense que xolna bu baax càmbar na mbiri setlu nako mhm. euh motax mu mu mu bind lu mel non si la job et wax nako euh, que état bi dafa def erreur de casting té njit bokay tan genre dang koy tan si ay points yu bëri mhm. waaw da ngay comportement à ak cadre euh, yi nga est-ce que war donc je pense que c'est important et que bon été tamit da ngay def nit mm-hmm. donc lui lui lui tassaré luy vraiment war war ko def mhm. je pense que waroon nañ fi mën a bàyyi ma tax ba moom jigoon nañu <laughs> yow daal d'Afrique bi rek nga <laughs> ci moo am solo nag de moo am solo moo am solo ndax duñu duñu gis course ba pare wëlbatiku naan kan moo jël troisième bi la ñu njëkk a laajte donc euh, je pense que coupe d'Afrique boobu nga doon ñëwtu une prochaine fois on l'aura inchallah donc euh, Tcharno, on a vu les propos de Bakary Sissé que que vous connaissez et que vous avez vu euh, ce qu'a fait le ministre peut-être Matarba durant tout son règne en ce moment euh, Mingi donc comment pensez-vous à l'organisation, avec les problèmes de billets qu'on a eu à entendre nga le règne Matarba en ce moment. règne Djoup oui la Djoup la l'article de de Bakary pour moi, c'est très courageux. Mhm. Il fallait le faire, il l'a fait. alors un ministre pour moi un ministre des sports c'est pas que l'on faire une campagne football du faire def leen loo xam euh, c'est pas de tes ressorts en fait. Mhm. tu comprends aujourd'hui euh, euh, le ministre doit rester à la place du ministre. Mhm. tu comprends euh, euh, euh, fédération de nga le staff est là-bas mais pas les ñu gérer. tu comprends Ça, Souleymane wax na lu am solo hein? na Matar pourquoi le départ de Matar pourquoi ak li des fibres. Nous avons un peu tu as touché un peu la une fibre qui est la politique loolu aussi mon sonal. Mais Matarba, pour moi, Matarba devait rester, ici. C'est comme aujourd'hui, on parle du, départ de Alucissé, est-ce que Denadem Doudem Parce que pourquoi nous avons hésité Doudem Parce que nous le Ba def na loo xam ne def ko pourquoi mu bàyyi ko mu dem. Mhm. donc loolu à l'article moi je pense que euh, le mise à fait une erreur bon maintenant ñu xool quelle la suite. Ce sera la suite on va voir euh, avec euh, ñi nga xamante di peut-être le gouvernement bi les décisions qu'ils vont prendre peut-être qu'ils vont taper sur les doigts du ministre peut-être que non on est à quelques jours des élections présidentielles ça sera un peu compliqué mais bon on verra la suite des événements par rapport à cet article parce que ay article Bakary c'est des faral du bëri coow torop su ko bindee rek ñep dañ koy riposte. Mhm. wax ji ne courte bi Sénégal on y reviendra inshallah dans les émissions à venir donc may nuyu ki nga xamante ne moo di El Hadj Malick ñoom euh, moom moom bàyyiwul vaaru Mounir ba ay waay El Hadj Malick bàyyi Mounir Mounir sama càmmiñ la <laughs> yow yow yaay tooñ Mounir waaw baax na daal may nuyu ki nga xamante ne moo di Samba Khadim borom bonsoir bonsoir Samba Khadim dalal ak jàmm ci sa émission 9TV tamit mu ngi ñuy nuyu di ñu ñaanal jàmm ak salaam jërëjëf 9TV kontaan ci yow di nuyu euh, di gërëm mi nga euh, Jules une analyse très pertinente effectivement il fait que des analyses pertinentes mon Souley mon souleyman merci à toi Daour d'avoir remarqué ça. alors euh, bu ñu jógee nag ci ki nga xamante ne moo di ministre bi la Diop on a fait un peu le tour de la revue des des titres on a on a un reportage qu'on nous a préparé avec la régie donc c'est un reportage de Salif Ba qui nous parle de Badrassar directeur sportif de